À l'arrivée des demandeurs d'asile, ils sont profilés par ce que nous appelons les mobilisateurs communautaires MOB comme APBE qui les orientent au niveau des bureaux de la Direction régionale de l'État civil des migrations et des réfugiés à l'intérieur de laquelle se trouve la Commission nationale d'éligibilité au statut de réfugié niveau région qui va procéder à l'enregistrement de la personne et à la réception de la demande formellement écrite par ce dernier nous orientons le demandeur euh, au niveau du HCR. Pendant que le demandeur d'asile est assisté, nous procédons à ce que nous appelons l'écoute initiale qui consiste à prendre euh, les grandes lignes d'information sur le demandeur. Ensuite, nous procédons dans un deuxième temps à la détermination du statut de réfugié DSR qui consiste pour chaque demandeur de se présenter devant un agent DSR qui sont des juristes recrutés par le HCR et mis à la disposition de la DREC. Chaque demandeur peut pratiquement faire euh, deux à trois heures d'entretien. Ces informations collectées, un dossier fourni et élaboré que nous transmettons à la communauté commission nationale d'éligibilité au statut de réfugié qui se trouve au niveau de Niamey, qui va convoquer une session en fonction de la consistance des dossiers et se prononcer si oui ou non l'État du Niger accorde ou refuse le statut de réfugié au candidat. Quand et où est-ce que ce processus est-il déclenché Au moment de l'arrivée de l'intéresser au niveau de notre direction. Et combien de temps cela peut-il prendre Tout dépend de la rapidité, de la disponibilité du personnel à traiter les dossiers. Contrairement aux réfugiés des régions de Tilaberi et d'Ifa, la particularité d'Agadez, c'est que c'est le cas par cas. Chaque dossier doit être étudié analysé et la commission va se prononcer au cas par cas. Pour le cas des demandeurs d'asile qui ont trois ans, comment est-ce que ce processus est-il en train de se dérouler Effectivement, par rapport à la durée, nous avons convenu que désormais, nous allons faire venir les demandeurs en fonction de leur date d'arrivée. Plus tu as duré, tu passes en priorité devant les agents DSR.